Lamentation chapitre 5, nous avons du verset 1. Souviens-toi l'éternel de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre corps propre. Notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins, sans père, nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à, rue, à prix d'argent. Nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis le jour sur le coup nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier du pain. Nos pères ont péché et ils, sont, ne sont plus. C'est nous qui profitons la peine de leurs iniquités. Les esclaves dominent leur, sur nous, et personne ne nous livre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant le pays du désert. nous brûlant comme un four par ardeur de la faim. Ils ont déshonoré les femmes dans son dans Sion, les vierges dans les villes de Juda. Des chefs ont été pendus par leurs mains. La personne des vieillards n'a pas été respectée. Les jeunes hommes ont porté la meuble, les enfants chancelaient sous les fardeaux de bois. Les veilleurs ne vont plus à la porte. Les jeunes hommes ont cessé leur chant. La joie a disparu de nos cœurs. Et deuil a remplacé nos danses. Amen. Notre verset clé, c'est le verset 21 qui dit que, ça le verset 21 et 22, il dit, pourquoi nous oublierons-tu pour toujours, nous abandonneras-tu pour de louanges de, longues années. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. dans nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Comme ceux d'autrefois. à dit, dans les temps de nous devons implorer la miséricorde de Dieu. Nous devons implorer la miséricorde de Dieu. L'échappatoire pour de nombreuses personnes en crise spirituelle consiste à se lamenter sans cesse sur leurs conditions pathétiques et leur raconter ce que les autres leur ont fait. Ils croyaient que de lorsqu'ils le font pendant assez longtemps, ils attirent la sympathie et le soutien des autres. Mais ce dont ils ont vraiment besoin, ce n'est ni de sympathie, ni de soutien, mais du remède à ceux qui ont causé la rupture de leur bien avec Dieu. Alors, dans notre texte daujourdhui nous voyons que quoi On voit que Jérémie a supplié Dieu de se souvenir du sort des enfants d'Israël et de considérer le mal qui leur était arrivé. Alors, il a dit que des étrangers s'étaient emparés de leur maison, C'était emparés de leurs enfants. Et leurs enfants sont, étaient devenus orphelins. Et leurs femmes étaient devenues veuves. Ils ont été persécutés, même soumis à des travaux forcés et privés de repos. Ils ont servi impuissants des nations païennes qui les opprimaient. Jérémie a dit qu'il payaient le prix des péchés de leurs pères. Ils étaient gouvernés par des serviteurs et il n'y avait personne pour les délivrer. Ils ont fait face à une terrible famine et ont travaillé si dur pour se nourrir. Mais personne n'avait de motif de joie ou de plaisir. Le poids du péché pesait sur eux. Ils sont devenus découragés et sans espoir car la désolation régnait tout autour d'eux. Il se reconnut que Dieu n'avait pas changé, qu'il restait le même dans toutes les générations. Puis il a supplié le Seigneur de les restaurer dans leurs anciennes relations et de cesser d'être en colère contre eux. Chaque acte de péché sera finalement puni à la fin. À ce moment-là, il sera clair que Dieu se détournera du pécheur. Pourtant, il n'abandonne pas complètement les gens. Il s'étend à ce que le pécheur demande miséricorde. Il se, il se repente et il va revenir à lui. Quand cela sera fait, il va encore recevoir sa dévance sûrement. Amen. Pensez du jour, que ta souffrance fasse que tu te donnes ou tu te tournes vers Dieu. Que ta souffrance fasse que tu te tournes vers Dieu. Pas que tu t'éloignes de lui. Que ta souffrance te fasse vraiment euh, venir proche de Dieu, t'approches de Dieu, que de s'éloigner de Dieu. Amen. La Bible en est non. nom. Zacharie chapitre 6 jusqu'au chapitre 9. Zacharie chapitre 6 jusqu'au chapitre 9. Amen. Le Seigneur vous bénisse.